Mame Gor Sy le président commission jeunesse et sport de la commune de daje bi tey dañu daje euh, d'abord pour sant yàlla euh, ndax dañ ko daan def at mu jot ren ñu ñëwati pour defaat ko muy ndaje sport euh, la ministre Augustin Tine maire de Fandène ku ko tudd sa xel nekk ci sport ndax ni mu bëgg sport lim def ci sport ba tax euh, nawetaan bu jotee muy faral di jàppale ASC yi ndax ñu mën a dem ci nawetaan bi euh, noonu la ko defewaat tey moo tax tey ñu woote daje fii pour ndimbal bi nga xam ne kilifa gi daana ko def ak ASC moo tax ñu ñëwaat fii tey pour ASC waaw lii kilifa gi daan def bokkul ak li nga xam ni moom la maire di woote daan may un million jox ko ASC yi mais comme yàlla def na moom xërëm ci nawetaan ak xërëm ci football tax na ren mu yëkkati 2 maa ngi koy jox ASC pour ñu préparer ak ASC bu nekk deux ballons vraiment pour ñu préparer ci nawetaan bi. waaw li ASC bi ñu ngi nekk nombre de 33 ASC yi nga xam ni ñooy jongante ci zone 12 A ak B. waaw loolu dañ ciy sant yàlla baax ndaxte wax dëgg yàlla yéenam la woon bu yàgg ndax coupe de maire ku ne maire ni coupe de maire ren tamit mu bëggoon waaye li tax daawul am il faut ñu leeral ko ba pare ndax dafa bëggoon bu ñuy def coupe de maire mu def stade Minisport boo nga xam ne képp ku ñëw taxaw di nga xam ne fii ñuy fubale coupe de maire méngoo na ak li fubal nekk Sénégal yëpp mu taxoon mu xar tànk tubéyam pour stade wax dëgg yàlla mais comme moom yéenam ñun xam nañ ko ñun nag ñu ne ko du ñu xaar ba stade bi pare dañuy anticiper stade mi ngi fii ci ginnaaw daanaka wax dëgg yàlla liggéey bi sori na collectif bi daanaka yegg na te incha allah am nañu yéene coupe de maire bi nga xam ne taxawal na ko final ba ñu football foofu ci kàttanu yàlla. waaw loolu comme ni ñu koy defee ci ci ci ci nawetaan wax dëgg yàlla yëkkatiwaat na 800000 pour ñu préparer ci bokkul nag dara ci li nga xam ne moom mooy yéeneem ci coupe de maire bi loolu dañ ciy préparé wu pour. coupe de maire bi 800000 francs waaw incha allah loolu am nañ ci yéene bu baax te ñu ngi leen ci invité te am nañ ci yaakaar ne incha allah dañ ko fubal ci coupe de maire ci ci stade bi incha allah coupe de maire bi ñu démarrer le 16 incha allah ñu koy démarrer le 16. waaw le 16 août incha allah. Moussa Faye euh, rapporteur de la commission jeunesse sport de la mairie de Fandène aujourd'hui, nous avons convié les présidents d'ASC et les délégués, les présidents de zone, pour leur faire parvenir euh, une très bonne nouvelle de la part du ministre des Forces armées, ministre Augustin Tim, qui chaque année octroyait aux ASC une somme de 1 million de francs. Mais cette année, il a doublé la mise, à savoir 2 millions de francs et c'est sur son fonds propre. Et en plus de cela, pour l'organisation, comme vous le savez, c'est une grande première, l'organisation de la Coupe du maire de Fandel. Pour l'organisation de cet événement, il a donné également pour l'organisation une somme de 800 000 francs pour l'organisation. Et la zone 12A compte 13, 15 ASC la zone 12B compte également 14 ASC. Et en plus de subvention, il, a donné cette subvention aux 4 ASC qui évoluent au niveau de la commune de Thiès. Et cette année, M. Euh, monsieur le ministre a dit qu'il va essayer de tout faire pour que la finale puisse se jouer au stade multifonctionnel de, de qui les travaux sont tellement avancés qu'ils comptent jouer cette finale cette année. Donc voilà, grosso modo, ce que, euh, ce vaut, n'est-ce pas, l'appel de cet élément de il a octroyé pour l'organisation 800 000 francs, donc pour les deux zones. Et ils vont essayer, par exemple, à travers les discussions, se partager cette somme pour une bonne organisation de la Coupe du Maire. Ça n'a rien à voir également avec ce qui a été voté au niveau du conseil municipal, à savoir 3 millions de francs qui, qui, qui, qui, qui sont destinés, n'est-ce pas, pour l'organisation du CNP, Championnat National Populaire. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est le casse-tête hein, de, de, Parce que les ASC parcourent des kilomètres pour aller jouer. Et Monsieur le ministre ayant compris cela, il a dit qu'il va construire un stade multifonctionnel à Fandel qui également, comme vous le savez, les travaux sont, en avance. Et ils compte jouer la finale, je dis bien, de la Coupe du maire cette année au niveau de, ce stade municipal. Voilà, c'est Maud Fall, président de la zone 12 près de Fandel. Euh, nous sommes là réunis aujourd'hui pour recevoir des subventions de la part du maire, M. Augustin par ma voix, la zone 12B, tout comme la zone 12A, euh, félicite le, de haute portée du maire qui nous, a, qui nous donnait d'habitude 1 million de francs, mais comme Moussa l'avait dit tout à l'heure, il a doublé la mise en portant la somme à 2 millions de francs. C'est un geste que nous tous nous saluons euh, puisque vraiment il est toujours à l'écoute des AIC. Comme vous le savez, euh, c'est la première fois que nous organisons la Coupe du Maire. C'est cette année, l'année 2017-2018, qu'il nous a mis des fonds à notre disposition pour qu'on organise la Coupe du Maire cette année. Et nous saluons encore ce geste parce que euh, euh, nul ne sait, sans doute, la mairie de Fanden écoute les AIC écoute sa jeunesse. Et vraiment, c'est grâce à Monsieur le maire et son équipe, euh, en l'occurrence Mambour Silla et Moussa Faye, qu'on félicite de passage. Voilà, comme on est en début de saison, euh, euh, la plupart les gens, ceux qui ne connaissent pas les navetans riment les Navetan avec la violence. Nous saluons les, nous invitons les joueurs, les supporters et toute la communauté. Euh, dire niet à cette violence parce que la violence ne rime pas avec les navettes. Le faire play en avant pour, vraiment, pour vraiment euh, la commune de Fanden euh, soit une commune, soit une commune que tout le monde, soit une commune modèle. président de zone du Sahel euh, ñu ngi nous di nuyu bu baax di seen di wax dañ pour recevoir subvention yi nga xam maire daf koy destiné ASC e Euh, tey ñëw woon président ASC e yi pour ñu ñëw jël seen situation euh, ni ngeen ko constaté président ASC e yëpp ñëw nañu Euh, li ñu ci rafetlu mooy vraiment maire aussi def na benn jéego bu nga xam te bu am solo la boo xam te ñëpp ñu ngi koy saluer ndax euh, dafa daan joxe situation 1 million par ci zone bi ren daf ko doubler daf ko 2 millions kon loolu ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di remercier aussi équipe bi nga xam te moom lay àndal surtout commission sport ci Mamkat si la jiite ko ak Moussa Faye ñoom def nañ ci liggéey bu nga xamante ni bii liggéey bu mucc ayib la loolu mi ngi wane ni rek euh, ministre bi mu ñëwee ci bopp maire bi ak léegi mi ngi nekk en collaboration avec jeunes yi mi ngi leen di jàppale bu baax a baax ak bu ñu gëstoo gis ko loolu ñu ngi koy saluer bu ñu mooy li nga xamante ni jox nañu ko ñu organiser ak organisation bu nga xamante ni dina méngoog li nga xamante ni bi euh, effort bi nga xam def na ko ci ci ci ñun loolu mooy suñu responsabilité incha allah fas yéene nañ ko si collaborer man ak sama waaye sama collègue euh, président zone douze B ñu organiser organisation bu nga xamante ni bi incha allah bu mu ci ay la lay nekk incha allah waaw joueurs comme d'habitude rek parce que zone douze moom defe naa ni boo demee laajte arbitre yi ak sécurité bi dañuy wax ne jeune la bu nga xamante ni bii euh, du ma ni violence am fi mooy jeune bi gën a néew violence loolu dañ koy gën a yokk rek di ñaaxaat joueurs yi que ni la moo ñu boole benn weer la wala ñaari weer dañ koy ñëw ko ci fair play comme ni ñu ko daan defee parce zone bi zone famille la des ñu ko fubal ci fair play incha allah.